Dans un article publié et relayé sur les réseaux sociaux avec convention urgent, toutes les personnes vaccinées mourront dans les deux ans. Un article qui se base sur une interview de Luc Montagnier, un virologue de renom accordé à Rare Fondation USA et publié le 18 mai 2021. Plusieurs citations alarmistes lui sont attribuées telles que Il n'y a aucun espoir et aucun traitement possible pour ceux qui ont été déjà vaccinés. Nous devons être prêts à incinérer les corps ou encore ils mourront tous d'une amélioration dépendante des anticorps, poursuivant que les livres d'histoire montreront que la vaccination a créé des variants. Ce n'est d'ailleurs pas le seul scientifique qui est indexé. Le cas du prix Nobel de médecine Luc Montagnier. En parcourant l'article, on se rend rapidement compte que le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, n'a nulle part fait mention d'eux il n'y a aucun espoir et aucun traitement possible pour ceux qui ont déjà été vaccinés. Nous devons être prêts à incinérer les corps. Encore moins, ils mourront tous d'une amélioration dépendante des anticorps. Néanmoins, il est l'auteur de la phrase portant sur la création d'un variant dû au vaccin. Par ailleurs, quelques jours plus tard, dans un article en date du 25 mai 2021, Rare Foundation USA a démenti cette fake news devenue virale. Les publications sur cette fake news renvoient vers le site web de LifeSite, un site qui est un service Internet à but non lucratif dédié aux questions de culture, de vie et de famille, lancé depuis 1997. Mais voilà, LifeSite News est parfois indexé comme un site publiant des informations trompeuses par snobs.com. En mai 2021, la page Facebook a été supprimée pour avoir enfreint les politiques concernant le nouveau coronavirus. Le géant américain a cité un article en date du 9 avril dernier comme exemple de contenu ayant entraîné la suppression de la dite page, peut-on lire sur Washington Post. YouTube a également supprimé le contenu de ce site d'information, comme le rapporte Vice dans un article. Le cas d'un ancien vice-président de Pfizer, Dr. Michael Yeadon. Parmi l'un des messages qui circulent par rapport au vaccin de la COVID-19 sur les réseaux sociaux attribués au Dr. Michael Yeadon, figure, il était trop tard pour sauver quiconque à qui a été injecté un vaccin COVID-19. Dans un entretien du docteur Yedon publié sur le site News en date du 7 avril 2021, on ne retrouve nulle part où il fait mention de la phrase susmentionnée. Par contre, dans le dit article, il fait des déclarations qui ne passent pas inaperçues. Moi, on ne retrouve nulle part les mêmes citations évoquant la mort imminente des personnes vaccinées contre le COVID-19 selon la RTBF. En conclusion, les personnes vaccinées contre la COVID-19 ne mourront pas deux ans après avoir reçu les doses de vaccin.